Big donne-lui la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Et... Mmh, mmh, mmh,

qui se cache derrière Big Abdel. C'est de cela que nous avons besoin sur ce. Ah, effectivement. ok, Big Abdel, donc euh, je réponds au nom de Amadou Gadou Abdoulaye. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Ok. Original Big Abdel comme nom d'artiste. Je suis artiste, chanteur, auteur-compositeur. Tu es né en quelle année Je suis né en 1989 à Maradi. Maradi, c'est la capitale économique. Effectivement. D'accord. 1982 9. 9. Big Abdel. Ouais. À partir de ce, déjà de cet instant, à partir de cette année, mhm. est venu au monde un artiste. À partir de quelle année l'art s'est révélé en toi, mon frère Dis-moi. En tout cas, ça fait pratiquement 5 euh, ans de cela. 5 ans de cela. 5 ans que je me suis donné euh, à fond dans le mouvement artistique. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce mouvement artistique brigadel Dans un premier temps, je pense bien que c'est la passion. La passion. C'est la passion, je suis fou furieux de la musique. Qu'est-ce qui a amené cette passion en toi Ce qui m'a donné envie de chanter. Oui. En tout cas, ça fait de cela des années. Parce que c'est depuis que j'étais petit, depuis que j'étais gamin, j'écoutais trop de la musique hum? locale. Locale. Oui, il y a le groupe euh, La Calcanée. Are are are kurukuru sote. C'était dans les années... 98, le premier album. Effectivement. D'accord, ok, d'accord. Et tu as commencé, toi, à chanter à partir de quel moment J'ai commencé à chanter à partir de l'année 2015-2016. Donc il y a cela 5 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement. D'accord. Tu fais quel genre de musique Je fais de la musique euh, reggae français. Ok. Un peu le mix avec l'afro-pop. Reggae français avec de l'afro-pop, ça c'est un autre genre musical, hein, c'est un peu. Oui, c'est un mix parce qu'il faut que beaucoup me donne pas. Ah, c'est ça, c'est pourquoi le choix. Effectivement. Ah. Parce que quand on parle de reggae, c'est que ce n'est pas toutes les filles qui kiffent du reggae. Ok. Donc afro-pop, ça va. avec, ça amène un peu les filles. de, tous les côtés. y a un public de ouf, quoi. <laughs> Tout à fait. D'accord. Je voudrais avoir ta vision de la musique nigérienne sur cette émission. La musique a de l'avenir selon toi, ici au Niger Je pense pas. Je pense pas que la musique a de l'avenir. En tout cas, pour l'instant. Ah. Mais on espère avoir un canal qui va nous amener très loin, qui va nous amener au succès. Ah. Au seuil. Mais maintenant, c'est qui sûr, je vais rien vous cacher, donc vous le savez très bien. Difficulté, ok. Mhm. Il est confronté à un certain nombre de problèmes. D'accord. C'est l'artiste au Niger. Ok. Il est très mal vu par la société. Tout à fait. Malgré tout, on supporte le coup. Oui. Les bâtons dans les roues, on continue, nous. Mais Assine, cité. Mhm. Pourquoi Parce que si tu as l'envie de faire, tu feras. Hmm. manque donc du coup c'est pas facile c'est du never give up et vous continuez never give up on continue Big Abdel l'instant est solennel tu vas donc t'exprimer dans un instant T sur cette émission T une minute de temps d'antenne pour dire tout ce que tu as au fond de toi dans un premier temps, je vais essayer de toucher la jeunesse en un mot. Mhm. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre un certain nombre de choses. Mhm. Je me focalise d'abord sur la consommation locale. Mhm. C'est ça. Parce que plein d'artistes essayent d'organiser un truc de ouf. Le jour J, il n'y a pas de public. La jeunesse, elle est censée aujourd'hui effectuer un déplacement aux événements des artistes locaux. Donc, euh, il faut qu'on mette un accent sur la consommation locale. C'est ce qui fait en sorte que la musique souvent décline. C'est ce qui fait que la musique n'arrive pas à avoir une très bonne tendance comme ça se doit. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Là-bas, tu pars, tu vas voir des artistes qui viennent de naître mais ils sont tellement kiffés par la population. Ils sont vraiment euh, à féliciter. On les booste. Et ils sont partis comme ça. C'est ça l'idée. Si de vrai, le Nigérian n'arrive pas à donner sens euh, à son frère artiste, tu ne vois pas de l'avenir. Hein. L'avenir de ces artistes repose sur les épaules de tout un chacun. C'est ce que vient à l'instant d'expliquer l'artiste Big Abdel. C'est ensemble que nous pouvons donc euh, les accompagner et les pousser à atteindre le sommet et à s'imposer à l'échelle internationale. Mais voilà, la machine dit prend congé de vous.